man espace vert ma gazon c'est moi le responsable le reste c'est des espaces euh, euh, techniciens de surface ñoy nettoyer euh, ceinture bi toilettes ainsi de suite c'était comme ça ils ont formé des groupes des groupes des groupes de nettoyement. nous c'est l'espace vert on est resté presque 4 mois sans salaire woowaatul ken déggatu ko te day ñeu stade di dem d'après le ma de nag day di def liggéeyam di dem directrice bi Cécile Faye stade mu que alentour stade bi que Sibir. comme depuis le mois de mars depuis le mois de mars l'année arrêté bi les gens m'appellent toujours pour me dire ex directrice bi kan wootewul waxul dara ma ne waxul dara nañu ne on reste à l'écoute elle n'a qu'à décider soit mu woo ñu ni reprendre suñu liggéey bi wala mu dédommagé nu ñu dem suñu yoon ku nekk nga dem def li nga li nga war a def.